Le Warrantage, c'est une forme de crédit auto-garanti, auto-géré. Donc, comme on a des unions, et Moriben a su que vraiment, pour mieux faire ce Warrantage, il faut que les gens aient des magasins. Donc, on a créé des magasins de stockage. À l'approche de chaque campagne, on essaie d'aller vers la population pour les informer d'avance et les sensibiliser. On leur dit aussi d'établir une base de données, de, de nous faire parvenir la liste des individus en mettant leur nom, le type de produit qu'ils veulent warranter et la quantité donc pour qu'on ait une idée du stock, une fois que ces données-là nous parviennent, on essaie de toucher les IMF tout coquari, pour que vraiment on puisse avoir des fonds nécessaires, troyer ces crédits-là à temps aux producteurs. Dans les années 2010, 11, 12, ça a bien donné, mais ces derniers temps, avec euh, les effets de la vente à prix modéré et la distribution gratuite qui se font au même moment que le dénouement des stocks warrantés, cela a même émoussé notre euh, élan, ce qui fait que, en dehors euh, du projet Brasset, où Moriben collabore dans la mise en œuvre, je dirais que dans la zone d'intervention de Moriben, il n'y a plus de warantage. Alors que, dans le temps, on était cité comme modèle dans la sous-région. On a accueilli, durant la période dont j'ai évoqué là, des Burkinabés, des Togolais, même des Sénégalais, pour qu'ils viennent voir ce que nous faisons pour s'inspirer de notre expérience. Pour améliorer ce système, on doit travailler sur deux angles. Le premier angle, on doit dialoguer avec l'État pour que l'État sache quand même qu'on a les mêmes objectifs. C'est vraiment d'améliorer les conditions d'existence des populations. Et pour ce faire, on doit être en phase au lieu d'être en contradiction. On ne dit pas de ne pas faire de la distribution gratuite, on ne dit pas de ne pas faire la vente à prix modéré, mais vraiment de collaborer avec nous. Pourquoi ne pas acheter nos stocks, les, subventionner et les revendre aux populations ou les distribuer gratuitement C'est encore mieux que de faire une action concurrentielle vis-à-vis -vis de ce que nous faisons. Ça, c'est un. Deux, Deuxième chose, on doit aussi essayer d'aider à l'amélioration du financement du warrantage. Donc, euh, même au moment où il y avait le boom du warrantage, il y a beaucoup de besoins auxquels on n'avait pas pu faire face. Non seulement on doit essayer de renforcer les capacités des IMF à satisfaire les besoins des gens, mais on doit essayer aussi de faire en sorte que les conditions du warrantage, c'est-à-dire le coût du crédit, soient un peu réduit pour que la population se retrouve mieux.